Fidèles auditeurs du studio Kalangou, bonjour et bienvenue dans votre émission Le Niger sur Kalangou. Vous nous écoutez à travers nos radios partenaires. À la présentation, je suis Salamatou Kadri et à mes côtés, Ali Di Seno. La technique est assurée par Lawal Issa, Adam Adonwaki et à l'édition. Seno, bonjour, comment tu vas Je vais bien, Salamatou. Et toi, ça va Super bien, Dieu merci. Sur quoi portera notre menu d'aujourd'hui Eh bien, Salamatou, le Niger sur Kalangou d'aujourd'hui, nous avons plusieurs programmes pour agrémenter la journée de nos fidèles auditeurs qui sont devant leur poste radio. Le tout dans une ambiance musicale tradie moderne. Et comme invité, nous recevons ce matin le président exécutif de la Jeune Chambre internationale, Niami. Il s'agit de monsieur Moussa Sarala Mohamed. Avec lui, nous allons échanger sur comment fonctionne cette structure. Chers auditeurs, nous vous invitons à suivre avec nous le flash d'information Tout de suite, c'est présent le flash d'information avec Nefisa euh, Nafisa Adamou Sirfo. Nafisa, bonjour. Bonjour Seno, bonjour Salamatou. Bonjour Nafi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Le procureur général près la cour d'appel de Niamey a dans un point de presse hier apporté des précisions sur le récent communiqué de presse relatif au foisonnement des publications de tout genre sur la toile. Mazumoro a rappelé, je cite, que depuis quelque temps, on assiste à une situation inhabituelle. ce qui se passe est extrêmement dangereux pour la stabilité, la paix pour l'avenir même du pays des comportements qui constituent des actions pénales, ajoute-t-il. Le parquet a décidé de traquer toutes ces personnes et que tous les moyens existent pour qu'elles répondent de leurs actes devant les tribunaux dans le strict respect de la loi, a-t-il conclu. Une délégation des oulémas de la République fédérale du Nigeria, conduite par Sheikh Bala Abdullahi, est arrivée hier 23 août à Niamey. Elle a été reçue par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général Abdraman Chani. Le ça s'est déroulée en présence du Premier ministre Lamine Zen Ali Mahaman, des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et les leaders religieux du Niger. Mais au terme de cette rencontre, aucune déclaration n'a été faite à la presse. Rappelons que le samedi 12 août, une autre délégation des Oulema du Nigeria, conduite par le même Cheikh Bala Abdullahi avait séjourné à Niamey et a rencontré le président de la transition, le général de brigade Abdraman Chani, dans le cadre d'une médiation au lendemain des sanctions imposées au Niger par la CDAO. Enfin, l'Algérie a envoyé mercredi son ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf en tournée au Nigeria, au Benin et au Ghana. Objectif à trouver une issue à la crise au Niger, a annoncé la diplomatie algérienne et relayée par Air Info. Le ministre Ahmed Attaf a mandaté par le président Abdelmajid Tebboune, va mener des consultations sur la crise au Niger et sur les moyens d'y faire face avec ses homologues de ces pays qui appartiennent à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO. Pour rappel, le président Tebboune a indiqué le 6 août qu'il refusait catégoriquement toute intervention militaire extérieure au Niger qui représente selon lui une menace directe pour l'Algérie. C'est la fin de ce flash. Merci Nefissa pour toutes ces informations. Chers auditeurs, comme annoncé tantôt, nous recevons Moussa Sarala Mohamed. Je rappelle qu'il est le président exécutif de la Jeune Chambre internationale JCI de Niamey. Bonjour Moussa. Euh, bonjour, bonjour nous. Ça va bien Oui, ça va. Super, merci de nous honorer de votre présence dans cette émission. Mais c'est nous, avant de lui donner la parole, écoutons d'abord la première note musicale de notre playlist d'aujourd'hui. Et c'est le titre Zambo de Feu al Taya. Hier 23 août marque la date de son décès. Et aujourd'hui, dans cette émission, nous allons lui rendre hommage à travers ces titres prévus dans cette playlist. C'est parti, on kiffe. Né en 1951, artiste hors pair, Alajtaya est l'un des précurseurs de la musique moderne nigérienne. Enseignant de formation à l'école normale de Zander, il piqua dans les années 1970 le virus de la musique où, avec euh, les moyens de bord, il s'adonnait à l'animation culturelle avec ses amis, notamment culture, Mamansani euh, Abdoulaye, pianiste, Oumarou Hadari, Ibrahim Yalo, dit euh, Majid. La génération musicale s'agrandit avec euh, Maman Garba, Aimé Tossa, Ali Jibo, etc. Plus tard, sous la houlette du grand frère de Taya, Kazelman, l'orchestre naquit les ambassadeurs du Sahel, qui sera ensuite divisé recomposé par l'orchestre Carnavan dirigé par Ali Jibo. Quant à il forma l'international de la capitale. C'est avec cet orchestre qu'il gagna le premier prix de la première édition du prix d'Angourmou. Les mélomanes se souviendront de la chanson Mata Malan. Malad Taya continue à jouer sa musique dans son club mythique de Gaskama et participer à des concerts et animations. L'un des derniers est celui de Maradi où son ami Hassan Garba lui a rendu hommage après son décès le 23 août 88. C'est juste titre que le gouvernement du Niger a baptisé en 89 le centre de formation musicale PEMTA. Il est le premier président de l'Association nationale des auteurs, compositeurs et interprètes de musique moderne. Chers auditeurs, c'était le titre Zambo. À présent, on se tourne vers notre invité du jour. Il s'agit de Moussa Sarala Mohamed. Alors Moussa, euh, pour commencer, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste euh, la Jeune Chambre internationale et quel est son rôle au sein de notre communauté euh, Merci Seno, merci chers amis pour l'invitation. Donc, s'agissant du sujet, la Jeune Chambre internationale est une organisation de jeunes c'est une organisation de jeunes, parce que quand on dit jeunes, c'est ça, il y a précisément une tranche d'âge concernée. Donc euh, c'est une organisation de jeunes de 18 à 40 ans. 18 à 40 ans. De 18 à 40 ans. D'accord. elle a pour principale mission de pouvoir, euh, comment on appelle ça, accompagner des jeunes, mhm. faire des jeunes des leaders, des jeunes entrepreneurs mhm. pour un impact positif de leur communauté. Et ça date de quand la JCA a été créée en 1960, mhm. excusez-moi, mhm. mais euh, c'est tout un périple parce qu'il y a eu des périodes de suspension, comme notamment en 1974 où elle a cessé d'exister mhm. euh, sous le régime euh, de Contier. Elle a repris ses activités en 1991 s'arrêter aussi en 99 avec le coup d'État. Oui, Donc, euh, <clears throat> en somme, ce qu'il faut constater, c'est que c'est une, association qui existait depuis 1961. Super. Et quels sont les objectifs principaux de la JCI et comment travaillez-vous pour les attendre les objectifs principaux de la Jeune Chambre internationale sont, de, comme je vous l'avais tantôt édifié, il y a un mot, on a un mot magique, c'est l'impact, l'impact des communautés. C'est-à-dire comment impacter Mhm. L'impact positif, c'est de pouvoir d'abord créer des changements positifs dans la société, travailler à amener. Au fait, qu'est-ce que nous faisons nous, nous nous activons à, euh, constater ou bien à, à relever mhm. les besoins de la communauté, de notre communauté. Mhm. Parce que nous nous sommes dit que aujourd'hui, en tant que jeunes, c'est pas seulement de pouvoir euh, être une composante à part entière de la société, mais c'est de pouvoir se rendre utile à cette communauté dans laquelle nous vivions. Donc nous identifions les problèmes, et on crée les conditions de pouvoir les pallier. Super. Alors, euh, pouvez-vous nous parler de quelques projets ou initiatives marquantes que la JCI Niamey euh, a menées pour euh, contribuer au, développement local, par exemple Effectivement. Depuis ma bord, je voudrais <laughs> souligner au passage que la Jeune Chambre internationale et l'une des donatrices principales de sang au CNTS. Ok, ok. <laughs> Euh, et, ça, se passe comment C'est ah, euh, périodique ah, Oui, c'est périodique parce que je pense que euh, les médecins peuvent... En témoigner. oui, c'est, je pense, 40 jours. 40 jours, entre deux dons de si je ne me trompe pas. Mais les médecins sont là. Sur... Donc, périodiquement, ceux qui en donnent aujourd'hui, après 40 jours, on a toujours un canal, des groupes WhatsApp, des rencontres périodiques qui nous permettent de mobiliser nos membres afin de répondre à ce besoin combien de fois urgent, parce que ça sauve des vies. Mhm. D'accord Au-delà de ça, nous avions d'autres activités. Nous, nous, font, nous, faisons deux fois des dons, des accompagnements des orphelins. On trouve, par exemple, c'est la rentrée. Mhm. Aujourd'hui, nous mobilisons nos, nos membres à pouvoir passer à une collecte de fonds, d'habits et de matériel pouvant servir mm. d'abord à pouvoir mettre ces, ces orphelins, qui sont aussi nos frères, à se sentir comme tous les enfants, à sentir cette chaleur et cette joie, comme tous les enfants mm. qui vivent sous le toit de leurs parents à la rentrée. Donc il y a plusieurs, entre autres, nous avions aussi des salubrités, mm-hmm. d'accord, nous avons des accompagnements de la jeune féminine en formation de beaucoup en, entrepreneuriat. Mm-hmm. Euh, peut-être les accompagner des formations entre autres comme sur comment faire le savon liquide, savon solide. On a <laughs> vraiment plusieurs. Tout, ça là Oui, bien sûr, <laughs> bien sûr. Donc on a des formateurs à notre disposition et l'avantage de la Jeune Chambre internationale, c'est que nous mettions à la disposition de la communauté ces formations pratiquement gratuites. Gratuitement. Oui. Donc où à la rigueur, on peut demander aux participants que de payer que de payer l'attestation qui n'a jamais excédé 2000 francs. Hmm. Merci Moussa. Chers auditeurs, avant de continuer nos échanges avec notre invité, faisons une euh, pause musicale, toujours avec le fait à la Jitaya. Et cette fois-ci, on va écouter le titre Wayo Yale. C'est parti. Abi madunia lanja dunia Cimandu C'était là le titre euh, Wayo Yali du feu la Jitaya ». Je rappelle qu'il nous a quittés depuis 23 euh, août 1988, mais reste toujours gravé dans nos mémoires. Il, il continue de vivre à travers euh, ses œuvres. Nous disons paix à son âme. Chers auditeurs, on poursuit notre échange avec Moussa Sarala Mohamed, président exécutif du JCI Niamey. Alors, président, comment la GCI encourage-t-elle le développement personnel et professionnel de ses membres Merci. Et sur le plan euh, individuel, euh, l'une des stratégies phares que la GCI a, développé, a si développer depuis lors, c'est surtout l'accompagnement à travers des formations. Hmm. Je vous ai évoqué ce point euh, tantôt dans nos précédentes conversations. La formation est un socle et vraiment une valeur capitale que la GCI véhicule. Parce que, comme je vous l'avais expliqué, nous avions cette potentialité, cette possibilité de pouvoir mobiliser des formateurs. En notre sens, c'est que nous appelons des sénateurs. Les sénateurs, pour nous, c'est ces membres qui ont dépassé 40 ans, d'accord Mais qui ont toujours ce désir ardent de pouvoir rester à la GCI et de pouvoir l'accompagner, de toujours mettre euh, leur effort euh, à, la disposition de cette belle organisation qui les a tout donné. Mhm. C'est ça. Et il y a un titre qu'on leur accorde, c'est qu'on appelle le Sénat et les sénateurs leur donnent le titre à vie. Et parmi ces sénateurs, il y a effectivement, et la réalité peut l'attester parce qu'il y a plusieurs sociétés qui font appel à eux pour des formations de ce genre. Mm. Donc ces, ces, formateurs sont vraiment un grenier de mm-hmm. savoir pour nous que nous utilisons pour accompagner le, nos membres dans le cadre des formations. Des formations, comme je vous l'avais dit, de très haut niveau. Mm. Euh, en management, en technique commerciale, dans divers domaines qui sont intéressants pour le monde professionnel. Mm. Donc du coup, si vous voyez d'une pierre deux coup, la question de la formation individuelle et l'accompagnement dans le monde professionnel se suivent. Exact. Donc pratiquement, ces formations viennent alourdir le CV de nos membres, ce qui leur facilite vraiment une insertion socio-professionnelle adéquate. D'accord. Quelles sont les opportunités offertes aux jeunes qui souhaitent rejoindre la JCI et s'impliquer dans vos activités La JCI, les opportunités qui s'offrent euh, pour les, les jeunes. Les jeunes, c'est qui d'abord, euh, il ne faut surtout pas perdre de vue la, question de l'âge, parce que vous savez, notre euh, c'est inscrit dans nos textes. Vous avez dit de 18 ans hein? De 18 à 40 ans. Donc il faut avoir 18 ans minimum pour, pour pouvoir prétendre à, euh, Comment on a intégré la jeune Chambre internationale. Pour le point de vue, il y a ce que nous appelons des domaines d'opportunité. Aujourd'hui, beaucoup ont rejoint la jeune Chambre euh, qui au début étaient juste euh, des aspirants entrepreneurs, ok, mm-hmm. ou bien qui sont des, entrepreneurs novices qui viennent de commencer, mm. mais qui après avoir intégré l'agent chambre à travers le réseautage, parce que nous voyageons beaucoup dans le cadre de nos activités. Nous avions de, des organisations nationales sœurs comme au Bénin, au Burkina, au Togo, dans le monde entier. Mhm. D'accord mhm. On a des organisations, on a des, des, assises nationales et internationales. Mhm. Donc, à travers ces assises, chaque fois que nous nous rendions, il y a une opportunité qui est donnée aux membres de pouvoir passer à la création du réseautage. Et ce réseautage permet aux membres aujourd'hui d'avoir un réseau élargi, tant au plan national qu'international, qui peut leur permettre de pouvoir mener leurs activités d'entreprise et pouvoir aussi avoir des débouchés hors même des frontières de ce pays. Donc ça, c'est sur le plan entrepreneurial, d'accord mhm. Et sur le plan opportunité, aujourd'hui, il y a beaucoup de membres qui, aujourd'hui, ont su exporter leur savoir-faire, que ce soit sur le plan savoir-faire ou bien de services, prestation de services ou bien commercial, qui ont su exporter toutes ces valeurs hors de des frontières de ce, du, pays grâce au réseautage qu'ils ont pu se construire à travers la Chambre internationale. Ok, d'accord. Avez-vous un message ou un conseil à partager avec euh, tous nos jeunes qui nous écoutent actuellement euh, Mon message a, toujours été le même. Je pense qu'il s'adapte à tous les contextes. Mhm. Jeunes d'aujourd'hui, nous devrions arrêter nous devions, devrions arrêter de penser que nous constituons une charge. Mhm. Je pense qu'il est temps que nous pensions que nous sommes la solution. Comment pouvons-nous être la solution C'est de pouvoir d'abord capitaliser ce que nous avions en nous comme qualité. D'abord les qualités humaines. Aujourd'hui, il y a des griefs qui nous sont portés, dont moi je pense qu'ils ne sont pas du tout vrais et qu'il appartient à nous de pouvoir, euh, comme on appelle ça, démentir. ces, griefs qui nous caractérisent de jeunesse euh, désorientée, d'accord désœuvré, désorienté. Donc c'est à nous de pouvoir montrer le contraire. Donc je pense que la jeunesse est, une, euh, la, est la richesse principale de l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Mais à condition que nous puissions le savoir. Il, faut, il va falloir que nous nous transformions en solution, non et qu'on arrête de voir, d'attendre la solution d'ailleurs. Mhm. Si chacun de nous arrive à réaliser ce qu'il a en potentiel, parce que Dieu il n'y a pas un être humain que Dieu a créé qui n'a pas en lui une qualité, sauf s'il ne l'a pas reconnue ou bien il ne sait pas comment la mettre en valeur au profit de sa communauté. Et c'est ce genre de valeur que nous, nous enseignons à la Jeune Chambre internationale. Merci. Merci infiniment, Moussa Sarala Mohamed, d'avoir répondu présent à notre invitation, mais aussi d'avoir euh, répondu à toutes nos différentes questions. Euh, nous vous souhaitons une excellente journée tout en espérant qu'on aura euh, une autre occasion de se retrouver dans cette émission. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, le Niger sur c'est pour si, mais cette fois-ci avec notre rubrique hebdomadaire qui porte sur l'éducation numérique. Et spécialement aujourd'hui, on va parler de WhatsApp. Notre collègue de l'équipe numérique, Farid, Boureima. Farid désolé, Farid Farid il va nous parler ou bien il va nous éclairer sur les règles et les enjeux entourant l'utilisation de cette application de messagerie. Bonjour Farid. Bonjour, c'est Salam Ravi, ravi de vous avoir avec nous. Alors, Farid, euh, commençons plutôt par le défi WhatsApp. Et euh, sans aucun doute, l'une des applications de messagerie les plus populaires au Niger. Euh, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur sa portée actuelle et pourquoi tant de personnes l'utilisent Bien sûr, c'est nous. WhatsApp a conquis plus de 2 milliards d'utilisateurs à travers le monde grâce à sa simplicité et à sa facilité d'utilisation. Mhm. Elle permet aux jeunes de communiquer rapidement et facilement, que ce soit en envoyant des messages textuels, des photos, des vidéos ou même en passant des appels. De plus, elle est particulièrement populaire dans des régions comme l'Inde et l'Amérique latine, où elle est devenue un outil essentiel pour la communication quotidienne. D'accord. Et maintenant, passons aux actions que les utilisateurs doivent éviter pour ne pas avoir leur compte suspendu. Pouvez-vous nous donner plus de détails sur les conséquences possibles si quelqu'un enfreint les règles Certainement, Salamatou. WhatsApp prend ses règles au sérieux pour maintenir une expérience sûre pour tous les utilisateurs. Si quelqu'un partage des contenus illégaux, harcèle d'autres utilisateurs, spam ou utilise des applications non autorisées comme WhatsApp GB, il risque de voir son compte suspendu temporairement ou même fermé de façon permanente. WhatsApp applique ces mesures pour maintenir l'intégrité de sa plateforme et garantir que les utilisateurs respectent les normes établies. Merci euh, pour ces éclaircissements. Pouvez-vous nous expliquer ce euh, qu'est WhatsApp GB et comment euh, il diffère de l'application WhatsApp standard Absolument, c'est nous. WhatsApp GB, également connu sous le nom de GB WhatsApp, est une version modifiée de l'application WhatsApp officielle. Elle propose des fonctionnalités supplémentaires et des options de personnalisation qui ne sont pas présentes dans la version standard. Cela peut inclure des thèmes personnalisés, des paramètres de confidentialité étendus et d'autres fonctionnalités de personnalisation de l'interface utilisateur. Intéressant. Cependant, il y a eu euh, des discussions, euh, des, discussions bien évidemment autour euh, de l'utilisation d'applications tiers comme WhatsApp GB pourquoi cela pourrait-il être problématique pour les utilisateurs Bonne question. L'utilisation d'applications telles comme WhatsApp GB peut sembler attrayante en raison des fonctionnalités supplémentaires. Cependant, mhm. il est important de noter que ces applications ne sont pas officiellement approuvées par WhatsApp. Hmm. Par conséquent, leur sécurité et leur conformité aux normes de WhatsApp ne sont pas garanties. Hmm. De plus, WhatsApp a une politique stricte envers les versions modifiées ce qui signifie que les utilisateurs qui optent pour ces versions mhm. pourraient rencontrer des problèmes. Voilà, je comprends maintenant. Et Farid, quels sont les problèmes pourraient rencontrer les utilisateurs euh, qui choisissent WhatsApp GB Salam tous les utilisateurs qui optent pour WhatsApp GB prennent des risques. Tout d'abord, il y a la question de la sécurité des données et des messages personnels. Hmm. Étant donné que ces versions modifiées ne sont pas surveillées par WhatsApp, les informations personnelles des utilisateurs pourraient être compromises. De plus, il y a le risque de suspension de compte car l'utilisateur car l'utilisation de ces des versions modifiées enfreint les termes d'utilisation de WhatsApp. C'est un point crucial. Hein. Et pourquoi les utilisateurs qui sont déjà sur WhatsApp GB, quelles sont leurs options s'ils souhaitent revenir à l'application officielle de WhatsApp On appelle ça WhatsApp simple ou bien quoi là WhatsApp <laughs> standard. le, WhatsApp standard ou le WhatsApp officiel. Heureusement, les utilisateurs euh, de WhatsApp GB peuvent revenir à l'application officielle en désinstallant le WhatsApp GB et en installant la version officielle hmm. via les plateformes de Play Store et Apple Store. Cependant, il est important de sauvegarder les données importantes avant de faire la transition, car la désinstallation pourrait entraîner la perte d'informations. Merci pour euh, ces informations essentielles, Farid. En fin de compte, il semble que l'utilisation de, l'application non officielle comme WhatsApp GB comporte des risques. Il est crucial que nos auditeurs prennent des décisions éclairé lorsqu'il envisage euh, d'utiliser ces versions modifiées. Merci d'avoir partagé ces informations, Farid, avec nous aujourd'hui. Euh, cela conclut notre discussion sur WhatsApp GB. Restez à l'écoute. Nous poursuivons notre émission, chers auditeurs. N'est-ce pas, Salamatou euh, Oui, cette fois Et on va aller avec de la musique. <laughs> ok, d'accord. Mais cette fois-ci, on va écouter Abdul Salam qui va nous chanter Copto. يا بسم الله الله يا بسم الله الله dono kai gateo zarmai ne ga su dono indai na se yeta yeta ai mo ai ne di biganda zarmara di biganda mai zai tabai kandu kalami ndarmada dibi ganda maje sabai kandurkala makan kare timoro hita makan banga timoro hita makan zongwai bol timoro hamita ya dinno darma timoro ko bundu bundu hagangwa kula agangwa kubai hagangwa nananna doki hanya kuma hanya darma ganda garbai nya kulutin da kwamto daga wani damba zabame anaje mai kudize nate mai hai kudile garbainya kulutin da kofto ane dubagara no bakano nate dubagara no bakano da dubagara no bakano da jo kulutin da kofto ane dambu no bakano nate dambu no bakano dar mai ganana kita tor na dibi ganana dar mai bukano malai jo bukano dar mai ganana kita tor na dibi ganana Comme tout cher auditeur, euh, ce chant a été composé par l'artiste Abdou Salam pour taquiner ses cousins Zarma, euh, qui sont euh, ses parents à plaisanterie. Selon lui, les Zarma sont les grands consommateurs des feuilles de moringa. Euh, c'est vrai, ça va tout ah, honnêtement, je, honnêtement, je dirais oui. Mais tu sais, c'est nous, personnellement, je kiffe ce morceau car avant tout, il valorise davantage l'aspect de la parenté à plaisanterie qui est l'un des vecteurs de sauvegarde du climat de paix et de cohésion sociale au Niger. Et en plus, c'est nous, il y a aussi ce mélange de piano avec de la guitare qui résonne dans ce morceau et qui d'ailleurs me paraît très mélodieux et très mythique. Normal, euh, Salamatu. Il faut noter que l'artiste Abdou Salam est un artiste chanteur, compositeur, interprète, mais aussi musicien. Il euh, maîtrise plusieurs instruments musicaux, notamment la guitare, le djembé et le gourmi, son instrument musical favori. Le gourmi est un instrument de la, de, la classe des, cordophones de la musique traditionnelle haoussa. Il est utilisé pour euh, l'invocation des génies de la chasse dans l'Ader et l'Arewa, mais aussi joué par euh, les jeunes dans les régions de Maradi et Zander. Voilà, chers auditeurs, euh, c'était là le titre euh, Copto. Nous osons espérer que vous avez bien dégusté ce titre, euh, particulièrement les Armas, à qui ce titre est dédié par, par Salam. Abdusalam. Direction à présent, chers auditeurs, le manga pour l'écho des régions à la découverte de la tribu Toubou. Et oui, c'est nous, la tribu Toubou est une tribu qui est peu en Afrique. Ils ont beaucoup de traditions, dont le Gouda c'est <laughs> tu connaissais le Gouda. Mhm. On dit lili ou quoi <laughs> qui se joue lors d'une cérémonie de mariage, baptême, etc. Mais dans ce reportage de Guidi Abdurrahman, ça concerne le cas d'une femme divorcée. On écoute. Dans les profondeurs du coutume Matubu réside le rituel du Gouda, particulièrement observé lorsque des femmes divorcent. Cette tradition, selon Fatima, une femme Matubu, peut se produire jusqu'à trois fois dans la vie d'une femme. mutanen mu na da in miji ya sake ki ba za ki shiru ki zamna ba in kun yi magana yin dai sai ki yazo sai ki fito ki buda ki buda mai kyau kowa ya ji mutanen anguwa duk su taru abokan ki su zo kowa ya zo a kwashe kaya shikenan mutum tana buda tana wasa za ta ta yi gidansu ta zamana kuma ta yi biki don saboda an sake ta ta ce mijina ya sake ni sai ta yi biki samari sauran su kashe mata rakumi su yanka su yi ta wasa su yi ta biki in da ne. Abukar Isa, mambar respecté de la tribu Tubu, explique les et les racines profondes de cette euh, tradition millénaire. Anamma tantubawa matan tubawa suna nunawa isa ne cewa da miji ko ya sake su ba za su nuna cewa da kaman sun ji ba daɗi ko kuma abun bai musu daɗi ba da sauran shi shine ya sa suke yin guda bancin shi kuma gudan nan da suke yi daga an yi guda ɗaya biyu duk sauran tubawa da suke karkaran in suka ji gudan sun san cewa da anan fa waccan an sake ta kuma gudan nan da shine za ta yi za ta yi ta yi za ta yi ta yi za ta yi har ta je gidansu to kuma a nan da yake abu ne al'ada za ka gani kai tsaye kamar 'yan uwanta ne tsohin zawarunta ne duka za a tattaru a ranan nan mawasa ne za a yi don saboda za a siyo sukari bahu gangan shayi kati na yin wasa radio na wanda za a dora kuma hallo da za a nemi abin yanka dabbobi a yanka a kawo shinkafa a dawa abinci a yi babban ruhuwa sai ka gani ana ta wasanni. Maryam Infama qui a personnellement vécu à maintes reprises cette euh, cérémonie, partage son expérience. Ces récits nous apportent euh, un éclairage unique sur les détails et les émotions liées à cette pratique. akwai Isa apporte des éclaircissements sur les rôles et les Responsabilite responsabilités des différents membres de la tribu qui contribuent à faire vivre ce rituel. a al'adance mace daga ta yi wannan guda an sake ta akwai 'yan uwanta ita in tana da tana yi wa kanta in bata da 'yan uwanta suna yi ko kuma wani wanda dama yana son ta mijinta wanda ya sake ta ya yi karfin wancan ya ɗauke ta yanzu kenan shi ya samu hanya wanda shi ma zai nuna kan shi shi zai iya ya doki yaunin komi da komi zai je so sukari buhu zai je so gangan shayi zai je so dabban da za a yanka a ranan kahan a yi babban biki wannan kamar yana nuna cewa ne kamar ranar sakin ne a gaggauce an yi shi amma za a babban biki wanda har tsawon tsati za a yi ta yin shagulgula. Alors que le gouda demeure une tradition enracinée au sein de la tribu Tubu. nous constatons qu'elle s'épanouit davantage dans le village que dans les villes. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Voilà, merci euh, Guidi pour euh, ce reportage. Euh, Chers auditeurs, place euh, au sport avec euh, notre chroniqueur sportif du jour. Il s'agit de Gourouza. Gourouza, bonjour. Euh, bonjour, c'est nous. Bonjour, Salamatou. Bonjour, Gourouza. Bonjour. La 31e édition du tournoi des grandes vacances de Yantala tire à sa fin. Oui, débuté le 22 juillet dernier, le TGV de Yantala a achevé ses matchs de poule le vendredi 18 août dans l'enceinte de l'école primaire Yantala 2 de Niami. Reste à présent les deux demi-finales qui vont se jouer le samedi prochain entre Dollar et Tourali. Puis le dimanche prochain, ce sera la face-à-face entre Ardan FC et Jaguar. Tout se déroule normalement selon le président du TGV de Intala qui nous fait un bilan provisoire du tournoi, Hassan Bello Hamadou de cette 31e édition, euh, dans l'ensemble, tout s'est bien déroulé. Il y a eu au moins une soixantaine de buts à marqués. Il y a eu moins de cartons rouges et moins de cartons jaunes. Donc, on peut dire que, comme nous l'avions si bien annoncé, euh, le niveau du tournoi est rehaussé grâce à l'innovation qui n'est rien d'autre que les matchs de barrage que nous jouons avant le lancement officiel qui s'est déroulé le 22 juillet passé. Euh, normalement, ça, devrait être dollar S 2000, e mais je pense que S 2000 e a triché. Euh, conformément au règlement intérieur, ils sont exclus du tournoi parce que l'article 11 et l'article 12 confirment que chaque équipe euh, n'a le droit que de faire au maximum trois licences de Ligue nationale, c'est-à-dire deux ans, et deux licences euh, de, de Ligue pro au maximum. Donc, il se passe qu'après investigation, c'est ce qu'on appelle une vocation en football. Après le match à 2000 Tourali, le troisième quart de finale, il s'est avéré que Esniamé 2000 a validé quatre licences de Ligue nationale. Donc, ce qui constitue Chili, conformément à l'article 12, après, après la concession de la preuve matérielle, l'équipe sera exclue. Donc c'est Tourali qui jouera dollar ce samedi, Inch'Allah. Euh, le dimanche, nous aurons euh, Ardan AFC face à Jaguar. Vous savez, le TGV a sa particularité, aujourd'hui, c'est pourquoi nous nous efforçons à pérenniser ce tournoi combien important aux yeux de, la jeunesse de Niamey en particulier, et euh, celle de Yantala. Parce que au-delà de la pérennisation et de l'aubaine que nous donnons aux jeunes talents pour se faire repérer par l'élite du football, nous profitons pour occuper la jeunesse et pour lutter contre l'extrémisme violent. Et nous sommes en train de travailler d'arrache-pied avec les responsables des équipes et les données du quartier pour que tous ces jeunes comprennent le bien fondé de, de cultiver de fair play, la fraternité et vraiment dans la symbiose, la fête sera encore plus belle les deux clubs nigériens, l'AS Garde Nationale et l'AS Douane, ne participeront plus aux compétitions africaines de football Oui, c'est nous. Dans un communiqué daté d'hier, la FENIFOOT, la Fédération nigérienne de football, a informé la famille du football nigérien du désistement de nos deux ambassadeurs, l'AS Garde nationale en Ligue des champions et l'AS Douane en Coupe de la Confédération. Cette décision, selon le communiqué de la FENIFOOT, l'organe dirigeant du football nigérien, fait suite à un cas de force majeure, la fermeture des frontières terrestres et aérienne entre les pays de la CDAO et le Niger, après avoir étudié euh, toutes les voies et moyens possibles pour permettre à l'AS Gare nationale et l'AS Douane d'honorer leur rendez-vous africain, la FENIFOOT, euh, d'un commun accord avec euh, le ministère de la Jeunesse et des Sports décide du désistement de nos deux équipes. Voilà pour le sport. Merci infiniment Gourouza pour toutes ces informations sportives. Chers auditeurs, à présent nous allons découvrir notre star du jour et je pense bien qu'on va parler d'une coiffeuse, n'est-ce pas Salamatou Eh oui, c'est nous, elle s'appelle euh, Akima Sanoussi, coiffeuse de son état. Elle est âgée de 36 ans et mère de quatre enfants. Vivant, aussi, vivant ici au Niger depuis plus de 20 ans, elle exerce le métier de coiffeuse depuis 15 ans. Suivant son parcours au micro de Oumu Oumaru. za ai gwanda yi zifa nga no ai feri salon ai gogwai ai kurnya ne se ai minan ai ma da ai fuaye ai ni goyo din gisiya din yirgo ya jirgo ya da ka kudu izi ka ai na se to ai man ka kwase ai ne salon udabu ai ba mai jine nera ai man magono anai sai sai ay jine nera ay ne jine gisi anai sai an bar hannu fo jine din ay giye gina faga ay ne to ay hangana se ay ne gine gisi son 2016 kin biti je bogu irto nan ka ay kurnya ay kul si irsi ay kurnyo agonda restaurant agonda patisserie ko ina gte staff o son wadin yankun no kai kak irto nan kanu ba an kanga mwasi irsi irga na ka ne kurara kan irka dangi sino ay kul sino ayi gode katga kanga katga kara ilmu do an kanga mwa ay kurnya mu koy goy adu butik foka ay ga feri no dun wanja si ay di ay kan sigi tayna si albara ni dinu ku koy ni niskanda ba dala aina se ni muskoi giri ske ni biyo zaman nan ka irgo sajo ranu ni mu koi kwarara ni mu kaci ni bi aina irko kan ni me ferin ga no ga bai ka ga dangara ai wala tumino ai sin da nya ai sin da baba ai sin da bera ai no kute ke ne kulse albiri girma gina kan go sal de kwafi goite ai gine ai to ba ken zanara to jiru wacin dubu mm ka e, ai go salon goi to mai gindo ni salon goi salon goi eh ai tantino kan da ai we borfudo ane sambo zafu yanga Kande da ne we borfudo ayi mu gwai we bora si to we bora mu salon gwai na gti to kan ka ayi gte ayi undora goyo webora mu da go gwai ai gu koi kai ai gidi dia se webora dikan ai gonda kokar du jama'a ba si agne nyunbo ai tonan ka ai gidan de friza ai kuna agne si ai muti ai sintingi te gwai sintingi wani ado de na dondo to so wo akima il faut que tu sande kan di gudi ni goy wora zam ne ne school ne si goy ni no mm. go zan kai il faut tu sande kan di gudi oh sande kan ai godi isi sanne kulcino amma dai ai godi sanda amma mo ai nir koi sabu wallahi zama ay nan kano hanfoyan ga kani ba da lasiyasi dai bi guton alfazar ai jingar ai ware hali gine hal dizer onzer wallahi ai sijan an kai ko dai foyi jini ga kaga da kai ay zankaisi a kul salin wurani goduwa kul salin wurani kwai ne kurarai ni borai sabu borai gaba ba ai goyo halmanta muso borai ga sifa wadin seno nan ka ai gowa alhamdulillah ai si jan kiliyan to so ifot ce kan ite wai borai se kayan ka wadon ge se haifote ai go ga chale wai ai gogi gurnye wallahi mutum ga kai ga santira hau zama in kunawo manta imni alborgon da aste wai sai hinne no kitu problem fa zama sande goni kanga ka alborga ba a mutai si amma asinda in kuna asi gaino manta kan sai asibano a gaba gaino amma asinda asinda wadi sene go we bore kulun ware imutungu ka imisentir haw ngai bonga wallahi ay kul kan nigi be kan nigi nigi te halal fonda ranu nugu na faga ni zankai ni kurnya gi na faga mutungu kai gati gwamnati kan ngai gudu de kita ay kiliyan ega ga ay client foyang ka new am a foya man ba toy mai sanne de dai si client foyan gono wallahi igite ai se no ir ko hin na magasi wallahi jir fote ai go kai porto meuga ai client fo kaga ga kai da mota an mwa zumandi an yi 5 litre zumandi a da kanu aman kan merci mon jaisi goyo wono go kan kulun kuna bor foyan bar me ga cindi ni ya mama ci mutuno bor hayo kul no ni se boram ne ni berendi nga kani nga ya wadi se ne we borai se wallahi kai za 2016 2017 unkuna voilà, c'était le portrait du jour, cher auditeur. Dernier tour musical de ce matin avec euh, cette fois-ci le featuring entre Abdella et Fatima Rico. C'est parti. Cher chers auditeurs, euh, c'était le featuring entre, entre Abdella et Fatima Rico. À présent, c'est l'heure de l'OTI du jour. Et hum, aujourd'hui, nos consoeurs nous parlent des risques que pourrait avoir le fait d'envoyer vos petits-enfants faire des courses à votre place. Et quand bien même vous le faites, prêtez attention au temps qu'ils passent dehors. Enfin, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le sujet de la discussion entre Racha Arimi et Samira Rouafi. On écoute. affairage, affairage, affairage. affairage. qu'est-ce que je vais dire à son papa Si je savais, je n'allais même pas l'envoyer au marché. J'aurais dû aller moi-même faire mes courses. Regarde, depuis ce matin jusqu'à présent, Jamila n'est pas de retour. Fanta, Fanta, qu'est-ce qui t'arrive Pourquoi tu parles comme ça toute seule J'ai pensé que tu t'adresses à quelqu'un d'autre. Et eh, mon ami, c'est Jamila que j'ai envoyé au marché depuis ce matin. Elle n'est toujours pas de retour. Quoi Comment Et tu restes là à pleurnicher. Tu as au moins informé son papa. Hé, hey, épargne-moi, s'il te plaît. Informer qui Son père Tu veux la fin de mon mariage ou bien Si par hasard j'informe son père, lui qui m'a dit de ne plus envoyer ses enfants seuls au marché, comment pourrais-je l'approcher sur cette question Fanta, C'est une situation qui est là. Comment ne pas informer son père Que Dieu nous en garde. Et si quelque chose lui arrive que vas-tu faire Tu vas continuer à lui cacher Hé, appelle vite son père. Entre-temps, essaie aussi avec ses copines. Tu as des contacts, j'espère. Oui, prends le téléphone, tu verras tous les noms qui commencent par ami. C'est pour ses amis. Je vais encore vérifier à la porte si elle est en train de venir. Laisse, je vais vérifier si elle n'est pas chez une d'entre elles. Mon ami, Wallahi, elle n'est pas là. J'ai même demandé à ses copines du quartier. Elles l'ont aperçue depuis ce matin leur disant qu'elle va chez son amie pour l'accompagner faire les courses au marché. Ah, voilà une piste. Parmi ses amies, qui sont celles qui habitent dans les quartiers J'en connais une qui est dans le troisième virage là, juste là-bas. C'est l'amie Allons voir chez elle. Espérons qu'elles sont là-bas. Ok, allons-y. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ah, te voilà enfin. Donc tu as entendu ma voix et tu es sorti subitement. C'est quoi ces manières Depuis ce matin qu'on t'a envoyé, c'est maintenant que tu reviens et ça aussi, il faut qu'on te charge. Tu te rends compte de ce que tu as fait et tu nous as mis dans l'embarras. Ta pauvre maman malade, elle a failli piquer une crise de tension. Haba. Pardon, Tinti. Voilà, je n'ai pas fait ça exprès. On a fini les courses depuis ce matin. Mais c'est mon ami qui n'a pas trouvé l'uniforme à temps. Et c'est ça qui a fait que nous avons fait plusieurs machines. C'est au machu d'Entla qu'on a pu trouver l'uniforme. Vraiment, toutes mes excuses. J'aurais dû vous appeler pour vous informer. Vraiment, c'est ça que tu devrais faire. Désormais, si toutefois tu te retrouves dans des situations pareilles, le mieux c'est d'informer sur le champ, même si tu dois prendre le téléphone de ton ami. Inch'Allah, Tanti, moi-même ça m'a échappé. Je ne manquerai pas la prochaine fois. Vraiment, Tanti, pardonnez-moi, s'il vous plaît. Hmm. vraiment, la fille a failli me tuer. Avec tous ces enlèvements, ces disparitions d'enfants, Dieu est grand. Plein de choses me sont venues à l'esprit. Comme l'a dit ta tante Laraba, tu dois faire très attention. Chaque fois que tu te retrouves dans une situation pareille, le mieux c'est d'informer. Comme ça, nous ne serons pas paniqués. Ces derniers temps, il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Le monde est devenu ce qu'il est. Les gens sont capables de tout pour se procurer de l'argent. Ils vont jusqu'à faire des trafics d'êtres humains. Hmm. tu ne sais même pas. Rien que la semaine passée, des hommes ont voulu enlever la fille de la voisine et son amie en partant pour l'école. Heureusement que la petite, que la petite a crié au secours et les deux individus ont pris la fuite. C'est pour cette raison, à chaque fois que je trouve un temps libre ou bien aux heures de dîner, je profite pour attirer leurs attentions. Primo, ne jamais accepter un cadeau venant de quelqu'un que vous ne connaissez pas, de ne jamais accepter l'invitation d'un copain, que ça soit chez lui ou bien chez quelqu'un d'autre. Faut jamais se hasarder à aller chez lui. Au contraire, c'est à lui de venir te rendre visite. Dieu est grand. Wallahi, tu as parfaitement raison. Nous, parents, on doit redoubler de vigilance. Il faut toujours appeler aux enfants de faire très très attention et de savoir où mettre les pieds. C'est l'unique solution pour le moment. Tu as vraiment raison, ma chère amie. Prudence avant tout. Le bon Dieu nous protège et qu'il protège nos enfants. Amen, Allah, ma chère. J'espère que maintenant tu vas appeler son père. Ah oui, oui, bien sûr. <laughs> Voilà, c'était là le loti du desk femme du studio Kalangu. Suivons maintenant euh, pour la culture linguistique. Le mot du jour est l'assolement. Ça sera avec euh, Abdul Moumouni Niali. Bonjour. Bonjour Seno. Bonjour. Euh, Bonjour. Notre mot du jour aujourd'hui, c'est l'assolement. L'assolement est du genre masculin. C'est une opération culturelle qui consiste à partager son champ ou sa terre cultivable en des parties égale et régulière et établir une rotation de cultures différentes et ainsi obtenir un rendement sans épuiser la terre. C'est une opération culturelle très bénéfique car elle permet de sécuriser les revenus de l'exploitation en cas de mauvaise récolte. Merci beaucoup Abdul Moumouni pour ces éclaircissements. oui, avez prévu également. On de... pourra de nous faire ça aussi en full full Exactement, en full full day, ko wi'ete asolma nder francire eɗen mbiya ɗum nder fulfulde waylitagol awtirdi na awdiri iɗum e waɗe e gesa ngam heɓude barke magga gesa kaduni fa hannden kanga feccete misali pecce nayi nden feccere fuu de reme iɗum wodi duni fa hannden nafakka ngam gan endan fowtan leydi ndi endan waati lawta nder irsigila o de fa hannden no dungugu un waɗiri fuu merci Nelly, chers auditeurs et auditrices si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais en haussa, en jarma en tamashek ou en fouchoulé, n'hésitez pas à nous laisser un mot au 82 89 89 64 c'est il est temps d'écouter nos auditeurs Je me présente Elage Moussa Ibra, acteur communautaire à Kaya. Bon, euh, mon message est un message de paix un message de cohésion nationale. Parce que on regarde regard de la situation que vit notre pays en ce moment, plus que jamais, nous avons euh, l'impérieuse obligation de nous serrer au coude au coude euh, pour pouvoir traverser euh, cette situation, toute cette batterie de sanctions qui nous est imposée suite aux événements que vous connaissez. Donc les Nigériens doivent remettre la balle à terre dépassionner les débats euh, partisans du coup d'État ou, non partisans. Ce qui est sûr aujourd'hui, la question centrale, c'est le Niger en tant que nation et sa survie et son devenir qui sont en jeu. Et je crois que de ce point de vue, euh, il n'y a pas polémique. C'est notre vache à lait à nous tous. Si nous faisons en sorte, et j'espère que nous n'en arriverons pas là que cette vache à lait meure, donc il y a plus de vaches et conséquemment plus de lait. Comment euh, arriver à, transcender toutes ces difficultés C'est euh, la cohésion nationale. Se dire que nous sommes tous fils et filles d'une même nation, euh, d'un même État, et, et que la victoire appartient au peuple résilient, à ceux qui luttent, à ceux qui, dans un esprit stoïque, arrive à transcender les événements que la nature ou les hommes leur imposent. Euh, nous savons qu'aujourd'hui, euh, le Niger est à un tournant décisif de son histoire et qui a besoin vraiment de, de la cohésion nationale, qui a besoin de la résilience de tous les Nigériens pour qu'ils se regardent dans la même direction. Chers auditeurs, nous sommes à la fin de notre émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de Salamatou Kadri et de Ali Ousseini nous Le rendez-vous est pris pour demain. Excellente journée à vous. Bye bye.